ce vendredi 3 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 153 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 7 cas importés ces sept cas importés concernent des compatriotes revenus d'un pays africain interceptés à la frontière le 29 mars 2020 puis placés en quarantaine à Velengara. En dehors de ces sept cas importés, nous avons cinq cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, onze patients hospitalisés ont été déclarés guéris L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 207 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 66 guéris, 1 décès, 1 évacué et 139 actuellement sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective ma Len, communiqué au Taibi. avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale Jodna, examen testé. Cité à téeméer ak test yu ñu def fukk ak ñaar ñoo ci positif ñaar yooyu juróom-ñaar yi ay cas importé la mooy cas yu jotee bigim réew ma yëgal ne juróom-ñaar yooyu suñuy mbokk la compatriote yu demoon tukki ñëw ñu tey leen fële ci frontière Vélingara biñ ñu leen testé le 29 lañu ñu ñu gis ne ñoom dañoo am jàngoro ji bu dul juróom-ñaar yooyu juróom ñoo positif ñoo xamante ne ay contact la yu ñu doon suivre ma yëgal tam ne fukki patient ak benn yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey ministère de la santé mu ngi leen di yëg leen ne yeneen patient yi ñi ngi yëg tan ci bésu tey bi bu ñu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom ñaari cas la ñu déclaré fii ci senegal juróom benn fukk ak juróom benn yi wér nañ benn cas de décès la am ak kenn ku ñu évacué ñu jàpp ne téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo nekk tey hôpital ñu leen di toppatoo. ministère de la santé et de l'action sociale nous continuons de population continuer de respecter les ñu pour que nous puissions a Covid 19 Je vous remercie.